amis de la FADA Mataramfoy, je vous souhaite la bienvenue sur la FADA, une émission 100% jeune que vous présente le studio Kalangu chaque week-end. Je suis Samira Wafi pour la présentation de ce soir et le thème d'aujourd'hui porte sur la perception de la société sur la jeune euh, mère célibataire. Quelles sont les conséquences Au Niger, euh, comme dans le reste de quelques États conservateurs des traditions ou religieuses, le regard de la société sur la jeune femme célibataire avec un ou plusieurs enfants est très souvent pesant. Ces jeunes femmes euh, se retrouvent dans la plupart des temps au sein de leur famille à leur retour où elles ont du mal à se reconstruire, à trouver l'amour sincère, etc. Elles perdent goût à la vie et font en sorte qu'elles euh, se sentent isolées. À cause de tous ces aspects, beaucoup de jeunes femmes préfèrent rester dans un mariage sans amour, sans respect, juste pour ne pas vivre ce que les autres vivent déjà. Et cela n'est pas sans conséquence. Sans acteur, le risque principal d'un mariage sans amour est que l'un des partenaires finisse par aller voir ailleurs. Pour autant, il ne faut pas confondre état amoureux et amour. Selon le site Fourchette et Bikini, nombreux sont ceux qui privilégient le confort affectif ou matériel au détriment de la passion amoureuse. Mais le mariage de raison entraîne-t-il nécessairement fardeur et ennui La réponse n'est évidemment pas énumée et dépend de chacun. Dans un mariage dit amour, le couple a bâti sa relation sur l'état amoureux vécu lors des premiers mois de la mise en couple. Dans le meilleur des cas, cet état est transitoire, se transforme en amour et s'installe durablement. Pour autant, de nombreux couples ne connaissent pas cette passion des débuts et développent au fil des années un amour sincère. Loin des clichés cinématographiques, ce type d'amour est construit sur un respect mutuel et une tendresse démesurée. Alors, pour quelles raisons faut-il rester dans un mariage sans amour À part l'infidélité, quel genre de problème peut-il souvenir Quel rôle joue la société dans cet acte Eh bien les amis, la réponse à ces questions c'est dans un instant avec nos invités de la FADA. Surtout n'oubliez pas, la FADA c'est de la chronique, une musique et aussi une rubrique rose. Chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui au studio Kalangu. Nous n'avons pas quitté euh, la maison pour parler de notre thème du jour, perception de la société euh, sur la vie de la jeune mère célibataire. Quelles sont les conséquences je vais donner la parole à mes invités pour se présenter à tour de rôle. Je commence par ma droite. Bonjour, moi c'est Rabi. Et à côté Bonjour, moi c'est Tekina. Ajarga Irgonda. Farida Munkela. Farida Djerga. Et Suleiman. Suleiman Djerga Binde. Assalamu alaikum. Aïmo Mohamedou au So, de Kayan Irwan Hunkuna Fadara, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Écoutons d'abord euh, ce témoignage euh, d'une euh, jeune mère célibataire. to salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ni ngi bon ka tare ir hangana te sem bayin da mai no go fa kare eh ma de gitu maryam waziri to maryama il faut de nous ci irse et le fait d'être euh, mère célibataire bon matkan ik di han fon boga ma hiji boga ma fatta to guniyan fo gona kan kwara boga igite borse haya dinga doru wadin nan boryan gono ba da hija siga kanu igor higyara to wogu gunen wadin da kiri gite bore sai mata non gora bi barda to ai wadai hankan ai gici bore sai wai borkulu a sin ware hankuni mini a higi a fatin ga kurni kwara son ku fadi ne a gwanda izaya izumu da bisi hin ga kai halin hinza zawali taki wai borkulu san ware nya kul musiba imne hun kuna a izo hiji a fatta aga aka a ginga ka gora sai da izaidi ai wa haikan ga gici borai dinsi da dai isin ga gaksine wadin bo to imsine iga viyo dan charra walim ta sai guneyan kan siburi zam irko hinno ga bai hankan na ka window dera to web sonda ay gone ni sekan yon gone kan badi hija si kan zami di kan inge chal webo ga tagay haya si sigite igo giwo alboga go gi kai na wali go gun gidi kan zakan boga hijik fatano de ni ay kul kan boga te ya bukata ne guduwa daino to wadin gona izu web bo bo gona kan go hin suru gidi go gorfu wai ga gere igo gi kar gere jara isigin di to ai wa haikan gici se dole no ai mine hin suru ifo hankan sai aici da zamba bura fatta tare dunguri za fallon kadainu zama nigo ni kwara nigo tabi ni fatta tare ta boye ga tonton ni di kenan vomi bora mu hin sura a kwara zama a ga hingi te dingo ni kwara hi din daraja maga borfo ga di ni bakaro amin ga kisine din fatta ni kurni kwara mu ni go tarai borai gune wadin ki go ten se inguno gana isihin gin gaksine zamdin goni kurnye kwara higadin daraja din izai daraja igina imin gaksine zamba ni famiye din banga fatani kurnye kwara afoyen higadin maga se ni gin berandi din banga fatamo bera sino zami godi sanga nan godin kafu ni iz dinin din izai sanga sharci fono ni kandisi me din goni kwara igi hinigi dini bakaraw hijadi maga se imi du yiniga aksine asene gone wai bore se imi hin suru to son ye kayan fu ga kason albogai digo kanido kayan gomni no go dai walmo in fogin da boga lakalo in fogin da lakalo sai dai ni go kan so albarai ne ni se kal suru irwe bore irsite alborai musti albor kulkan kamne ni sai higena gaba girbihin kada keki amte da nin furkutare ni wangi a zuru kenan di bayan ai kulu di goka ni do furkutara da yin gokan dai a foyan modika igba hija noro sisi Donc, est-ce que ça, là, ça a fait en sorte que maintenant tu es réticente, tu n'es plus dans les histoires de, d'amour ah, ai go histoire d'amour ra kai zama wai bor kullo ga ba amhiji ai suka gane ai muka goro ai zankai gono ai muka goro ai hinji zama hun kun wai bor kullo ga ba amdi inga bon inga kurnya kwara ba dai asidu hankan ga ba fura ni kurnya kwara goradin a gin daraja tonton a gin mutunci tonton kwai to ai sintin da eh, farida Farida, que penses-tu de ce que tu viens d'écouter Alboray kan yang sabai gidi ka bora do gai faifa nimuguna gidi barkano nim bora chawjina nim bai barkan dumano bayan ni kan bolla labo de surtout dinen gite dukur hiye mhm. bebisha ai kan que penses-tu de ce que tu viens d'écouter il faut non que tonton excès an kan maryama cibo han kai tonton abon asibisa gane irin societa no te hankan igo dai ga wai borai minimize din higi fai ni wanda izai ya wala ni te ni te haifo kan borakul go hayo kwa ze hayo hari bon en quelque sorte igin igi bay gin kaina sanni cindo yan igi bay gini hayo kwa igo gin minimize a faidunduma dunduma mhm, mm -hmm. et puis igidi ya wala ni nonin ceci kwa Mm. le fait qu'il ni mu fatta di qui zankai ni non cece alors que wai ban no su ba an mu fatta agonde gonda izai da manti dole Euh, à présent, écoutons l'avis euh, du sociologue Alou Aye sur la question euh, et la place euh, des mères célibataires dans la société et on revient juste après. En fait, euh, bonsoir. Pour parler de ces femmes ou de ce phénomène nouveau qui est en train de prendre de l'ampleur de plus en plus, et qui réduit malheureusement la femme dans une situation de cas social et qui est celui des divorces des femmes divorcées, mères des enfants. Pourtant, dans la conception sociale, les enfants sont la propriété du père. Ils sont à la charge du père, même s'il y a divorce prononcé par un juge ou par un nullement. on précise bien dans le clause que la prise en charge de l'enfant revient mari, même si par ailleurs l'enfant est chez sa maman. Mais de nos jours, qu'est-ce que nous sommes en train de constater Et lorsqu'il y a divorce, les enfants sont délaissés à leur maman, qui elle-même est à la limite rejetée par la communauté parce qu'elle sera obligée de prendre en charge les enfants en termes de leur éducation, en termes de leur logement, en termes de leur santé, de tout ce qui peut être comme besoin que ces enfants-là auront à exprimer. Elle est délaissée par le mari qui démissionne dans ses responsabilités. Parce que même s'il y a divorce, les enfants là portent leur nom, peu importe son nom, il doit s'assiner. Mais c'est tout le contraire que nous sommes en train de constater. Les femmes sont obligées de s'adonner à des activités génératives de revenus. la limite parfois tendre la main. Parce que ni leurs parents proches, ni leurs amis ne peuvent plus les prendre la charge du moment où elles ont ces enfants-là avec elles. Et là, ça devient ce véritable fardeau pour la communauté, pour elle-même et pour la communauté. Parce qu'assurer l'éducation de ces enfants-là est de plus en plus problématique. Euh, pour cette question, je vais commencer avec les garçons de cette fada aujourd'hui. Je commence avec euh, Suleiman. dis-moi, quel est ton avis sur la jeune mère célibataire Mon avis est sur les jeunes mères célibataires. Et notre société a tendance à condamner ces, mères célibataires-là. Pourquoi Parce qu'ils se disent automatiquement que cette mère célibataire, elle a été au foyer juste pour ressortir après. Ils ne vont pas aller au fond pour essayer de creuser, pour savoir mais qu'est-ce qui lui a poussé à sortir, qu'est-ce qui ne va pas. Donc euh, la société doit arrêter de juger

Nimbinde, que penses-tu des jeunes mères célibataires Beaucoup kanga hije bay, d'abord di fati jera e ahengu borba karandino. Zam bay diringe kwara. Ina no albor se kanga nda kogoro. Hal hayam furi gamara wara fata donc beaucoup kangi Dim di boro ine waborno kan fay ahengu borba karandi. Zama bongu da bay fata. Aïe tabira donc euh, ay a par rapport aux femmes divorcées to sekina qui kando tu es jeune maman n'est-ce pas tu as combien de bébés un seul ah machallah <laughs> c'est un garçon ou une fille à <laughs> ah, longue vie à lui alors, euh, tu es jeune maman, conte-nous un peu ce que tu vis, tu as vécu ou bien que tu vis actuellement parce que tu as décidé d'être euh, indépendante et jeune maman célibataire. <laughs> wow. Et, hmm, Merci Semira. Mais je peux te dire que euh, chaque jour est un nouveau combat en fait pour la mère célibataire. Sérieusement, ce qui pensent les autres sur les mères célibataires, <laughs> je capte pas trop en fait. Tu ne comprends pas Non, c'est pas que je comprends pas, je les ignore en fait. Je me dis seulement que chaque matin j'ai un objectif à atteindre mhm. et il faut que je fasse tout pour pouvoir atteindre mon objectif. Exactement peut-être cela pense quelque chose de moi, peut-être quelque chose de mal. Je m'en fous. la seule chose que je me dis, il faut que je, je me bats, il faut que je travaille, mhm. même qu'il y a travail dans le travail aussi. Mais je, je parle de travail, <laughs> d'accord <laughs> Pour pouvoir euh, éduquer mon enfant, pour le voir sourire chaque jour et surtout pour mieux l'éduquer. En tout cas, moi, c'est c'est mon seul objectif de la vie. C'est l'essentiel euh, en tout cas. Et dis-moi, quand tu as quitté Kanifata, matano nte et epreuve de surmonter parce que beaucoup suis pas à dogo maintenant harino kamborg ba manta harino mo ça. ok d'accord en fait euh, c'est des choses que euh, dont j'aime pas trop parler d'accord parce que certes comme tu l'as dit c'est vraiment divorcé même si et même si on l'a cherché soi-même, d'accord je te promets que je rentre chez moi, je vais pleurer. Qu'elle le fasse comment dire, devant les gens. En cachette ou devant les gens. Voilà. Agdourou. Donc, euh, matkulkano est épreuve de mm. Tous les Le fait que wabokan je La hani je La kan kakati. gati Donc matkulkanti nekolo que cikin a fait fata parce que on ne se marie pas pour aller subir ne hijewo matifalno ka irmo goro charbon aga dorugo mo gorade ra masalian si jande no anama irgo gidi kan hije bo ben ra we bore go gitabi igo gitabi di ko fu imi surandi borame ne hare ko te kurde igi suba gi surandi gi surandi to sonni wondi ngoga am go fu de asi am go fu oga si eh. makani bisam asi am ka fu l'un dans l'autre de bora gongu fora sigma kani da yegi ne hare mo ko ni halhon bor follon kayno problem follon kayno alhamdulillahi e son lokace gogo barmai ken kena alborai bun bo gogo faham kan na kawo din kuna satabo bayan gonu kanyan igoga tangam ima webore bon e feri ima albore bon e feri weboro hal ni gogo tabin hundora wal hala to nan kan ni kurnyo gogen kar ni du violence physique en wal mo te amute borase e masalem ba kalam ko gitawe borase bon wani kine to mamadu boga kayen godai foyo fo ga isig maka ne go go mo ko ni wondi yo ga hay kul singu duwe tali kul singu duwe masidi nyam fa hankan ni sibani go go wadin ginga nan bo da man tukun yo no ko ta ga gidi hay fo wa bram bo ginga fattami tali wo hadda da ya go ba mhm. asig yeda banda go dai ton ton no mhm. agin kan da lahani bobo e borasi ergo gidi bo bo ben kan ije fura ra masal ma ga problem ma ga dai kali go te bon wani a foyan kunye gi kar kala to ise fundiki niga mhm. halag to wodi yanga ko sare yan gono kun sata bobu gono kan yan wodi yan dumo deni go batu we bore ko sata din do hare e gi bonga e feri nda fonde ki himende mi gananda association islamique mo gono no diyan kulu borage ko ningi heno to nandi pour que imi ceciga wafa kaydan ikul mara da mo jigi ban hal hon citi fonde ra ko ne fonde yan gono kan borage gana ginga hijagai ba kan mo da bora yegi fai koyne hal hon da ko yinge ko ar koyne da societe koyne hal hon problem ya no koyne Il y a des problèmes aussi. Alors, on écoute notre rubrique rosée. on revient juste après. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagées par nos chroniqueuses. Coucou tout le monde de la rubrique rose de ce dimanche avec Ruki, On parlera encore d'une recette de chez nous. Il s'agit du motol bali. Vous connaissez son nom en Hausa Non. Ou purée de niébé. Ça, ça me rappelle quelque chose. Mais ça remonte à loin. Puis, dans l'espace santé et bien-être avec moi, Fanta, nous allons aborder le sujet du jeûne intermittent. Et avec moi, ça sera de l'actualité web. Est-ce que vous savez, les filles, que sur euh, Canal, il y a une grosse compétition pour gagner le cœur d'un homme on en saura plus dans cette rubrique rose. Bonsoir les filles, je vous reviens ce dimanche avec une recette de chez nous, le motolbali ou purée de niébé. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de niébé, du sel, des oignons, du piment, de l'huile d'arachide ou beurre de vache, du natron ou bien de la potasse. Pour préparer ce plat, trempez le niébé dans l'eau et laissez reposer. Au bout d'un moment, brasser pour enlever les téguments, puis laver le nibé Dans une marmite, porter de l'eau à ébullition, verser le niébé dans l'eau bouillante. Ensuite, ajouter du sel, le natron euh, et laisser cuire. Après cuisson, bien remuer avec un fouet ou une louche jusqu'à obtention de la purée. Frire des morceaux d'oignon, du piment et ajouter un peu de sel. Verser le tout dans la purée puis servir, c'est prêt. Ça vous rappelle quoi L'enfance. <laughs> Coucou les filles, c'est Fanta. Aujourd'hui, dans l'espace santé et bien-être, nous allons parler du jeûne intermittent et de ses bienfaits. Alors, il faut d'abord savoir que le jeûne intermittent, c'est un régime alimentaire qui alterne entre le jeûne et la prise alimentaire selon, selon une horreur régulière. C'est une pratique qui a gagné en popularité depuis le début des années 2000 en tant qu'approche saine de la perte de poids et se traduit par une amélioration des facteurs de risque cardio métabolique Alors voilà comment ça se passe. Le principe est simple. Il faut se priver de nourriture durant 12 à 16 heures maximum, ce qui revient à sauter un repas. Lors de ce jeûne, le corps utilise le glucose circulant dans le sang ou dans le foie pour continuer à bien fonctionner. Par exemple, vous pouvez prendre votre dîner, mais il va falloir sauter le petit déjeuner du lendemain pour ne manger à nouveau qu'au déjeuner. Mais à chacun de l'adapter selon sa convenance. Ainsi, si vous avez une activité intense dans la journée ou que le petit déjeuner est votre repas préféré, vous pouvez parfaitement vous priver du dîner. Le jeûne s'organise alors de façon suivante. Petit déjeuner, déjeuner et collation. La prise de nourriture s'arrête vers 17h pour ne reprendre que vers 7h ou 8h du matin, selon votre choix. Est-ce que le jeûne intermittent euh, permet de perdre le gras du ventre en tout cas, beaucoup de sites qui parlent d'obésité, de comment s'en débarrasser, le conseil. Même si quelquefois ils posent polémique. Mais il faut quand même, avant de l'adopter, mhm. il, faut, il faudrait peut-être demander l'avis euh, d'un médecin si ça convient à votre santé ou votre organisme. Exactement. Ok, d'accord. Ben merci Fanta. On passe euh, cette fois-ci à l'actualité web. Si je dis compétition pour gagner le cœur d'un homme, vous avez compris de quel buzz il s'agit. La nouvelle émission de télé-réalité que nous propose Canal Plus depuis le 15 octobre, dénommée Le Bachelor, présentée par l'influenceuse ivoirienne Emma Loès, fait couler beaucoup de data. Et depuis la diffusion de sa bande d'annonces qui pour critiquer l'esprit de l'émission, qui pour encourager sa candidate préférée parmi les 20 prétendantes venues de toute l'Afrique francophone à la recherche de l'amour et du prince charmant. Le Gabon, le Cameroun, la Guinée, la RDC, la Côte d'Ivoire et le Niger sont représentés par leurs belles candidates. Pour la petite histoire, le bachelor, en général traduit en français par le célibataire, est une émission de télé-réalité américaine fondée sur le principe du jeu de la séduction et de rencontres arrangées qui a vu le jour le 25 mars 2002 sur la chaîne américaine ABC. En tout cas, celle de l'Afrique francophone a lancé un grand débat sur la toile, sur qui doit se battre pour le cœur de l'autre entre l'homme et la femme. Pour notre part, nous souhaitons naturellement bonne chance à la candidate du Niger, Nadia c'est tout pour aujourd'hui, amis jeunes. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'astuces et d'actualités web. I give you peace of mind. My heart is always on your side. Our connection is rare to find. That's why I'm not gonna let you go. let's amis de la FADA, nous sommes de retour et je vous rappelle que nous sommes toujours à la maison où nous avons reçu nos invités euh, du jour pour parler de la perception de la société euh, sur la vie de la jeune mère célibataire et quelles sont les conséquences. Alors, je te repose cette même question. Sekina. Et mariage au Kambora sigma kani agogoraga ifotila hande kaga yin kande bora bafunaga deja ha un iba emti irkullu irkullu no be kan kuna e eh, koyo kan na un halalandi ingino na fayan halandi amma wata kulkan kin fayanti alhar ou bien comment ça s'appelle chez au kambo agogoro aga jijir kenan donc wodi no himgadan a him borai mu bai kan fayan siti yamura en fait ay situn yam yamai mini ay gudira d'accord et haris hal bayr to wodinga et il faut no gati erreur la la kan irgo commettre avant que irm furhi jara hal conséquence mu frara c'est quoi cette erreur Erreur ogiti kan irkuldir di char irbe yi charse. Hay fulan ka kan girbon era irum char hiji. Ira ba fus char al hakuba. Ay gi bagin hiji, ni gi bani mai hiji. est-ce que ni gi al hakuba en tant que wande? Mais crois-moi fa yimo bande ne famu ne ko. Za al boray, za wi boray. Irkul no sin suru. ni di wala parce que hin kono woy boray go lutte kul woni ingay ngori ngay je fora. Mais malheureusement asiga butir mat kan kina himada. Matakani chida mono boray sikya ala kubai sedai. C'est ça. C'est ça. il y a beaucoup de femmes. Aujourd'hui, tu vas voir une femme sortir de chez elle, très bien habillée. Mais ah, machallah, wallahi, bro, kurnyo gwa goida. Mantingono fa, aizier irko mant kurnyono. Je te dis. Kogun biya ko bero kwara. Kan gogoy. Tu vas voir, elle est partie chez sa grande sœur hier. Quand Gogo Gueter Birno, à quoi gare Bero Gnoa c'est Sambone et Koifu. Et en tant que femme, parce que Gba il me courne Sifa. Et que tu les Gore me fazag da kafabo on va me demander mais wallahi quoi yo ine wallahi bino filan bab kanda ni sai ka bon wani kai ka bon ah isin ka bon mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ay goga hawida bunu me mhm mais nous on ici ta ici de ni gay kar ni gay wo ni gay sen nyamo des fois même tu sors tu restes liant du tout ay qu'on se dergana fou ni me débrouiller ni me hina to ça la femme là elle elle va sortir de chez l'homme là pour venir chez elle har yin zan tufo mu gon kan wai bora ga higde dai ni sano hankan bisa ka gugu dunge kwara mano de de kwara wana medicine din sinu so zala kan ti sa sintina ga dingi hiji son borta giyan no ni gege sintin danga wongo sintin wongo fono ni gege kayen de quoi bo fone si adogon da ba sintina zama bien sûr bo gine a hija hay haikul kan ga bai boga bay bien sûr ya dinga mais écoute l'homme va venir chez toi il va il va te dire mais <laughs> l'homme va venir chez toi aujourd'hui pour causer avec toi maintenant je viens chez Bibicha je lui dis écoute ça va tu vas bien donc charfo ay amnay se boy muzumbuka sam chez ne aga moi je lui dis mais attends il faut ne gorgane charsi tu n'es pas une gamine danga bor fo kul kan nin tu vois fur kuno barago dingin misidan mhm. bora ka ah wallahi filano a calgai se fu goro irko maro noyije voilà wal irko maro no bor te kan ta kan ga non non non c'est des préjugés d'abord nangunmi yakina gote yakina toi tu penses que celle que tu as laissée à la maison là tu penses qu'elle qu'elle qu'elle qu'elle je sais pas euh, comment dire elle est saine irin su muru ba ni ya bumbu kan fura ni so bai ga hangani se se kina irgi hene ngo fada man to ban yanno irsi ban irgi hemo ko ne fada ga banir bo en fait même ta mère ni burnya gundan bodan go fora mm. din fatta hin kuna wallahi ala kala si kani irin su duk sai kulu ko ko de mir kula lesi amin wala sik amin amin On va euh, euh, se reposer un peu, on va un peu souffler avec euh, de la musique et on revient juste après. nobody like work, but you must hustle if you want job. You no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. You no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like Popoli. Steady votre émission sur le thème perception de la société sur la vie de la jeune mère célibataire, surtout quelles sont les conséquences. Bébicha, sonne dit Yangoga. Il faut céder nos borgogor gera comme vacciné sinon. Donne-moi les raisons. les raisons à nous que. Du fait, il faut n'y gagner haïwase. Abunda yokoro kusu. Yawa da uta ya zahi ya nga hankali can ya zurka kan dangira adungunde dangi voilà donc c'est pour dire que hankan kan da wokul man ta bo tu acceptes de rester dans un ménage où tu n'es pas heureuse donc amour ça no imsba kanda parce que là tu donnes raison encore aux vieilles dames qui dit dingo higi go kondini za ku ni ne bak son sur hinno c'est comme si la société go dan borai la kalora kan suro hinno gicindi vaccination alors que moi je dis que c'est pas ça parce que din siba ba bora ni sa yi kondan kwara bora si de min higi am koy ko ni kwara goro da bai kan si ba inga aha et puis c'est pas une raison zam sai ine we boro suru dai na gi hin mhm. nim kar ga diga bonandi yamu yamu bor kan ni ga ba ni sa har ci do ni status yeah, C'est aha kenan manti une raison nuk di pour iga hamburu imu fatta préjugé ma il elle accepte de, de, souffrir dans un ménage où elles ne sont ni heureuses ni respectées. Et c'est le plus malheureux de tous. Parce que c'est ça qui, qui conduit des fois au suicide nigidi boran din mini ha filana bani sama ina go wiza ni sibe hankan go binara in in ko hinna ka bai in kan go dorora ne c'est pas une raison c'est comme si c'est qui n'a lavé du tout à l'heure Bobo 99% des femmes dindi est bien propre, bien habillée. Wallahi musha man nyono To, je continue euh, avec toi, mamadou Fakara mogu kalay dinya niga. <laughs> Soni diyangoga. Quel rôle joue la société dans la stigmatisation des jeunes mères célibataires parce que an foyan inga dai no ganan dunya ga fatta wai bagai bine zamni sonda da fatta a fada din kan gobin domi za da fatta ikan ai ga wadin ma ga baga gora su ba fatta ko ginga mura da ite igin gane kan eh ir societa mu dai no ti igin bono din ki gone zama masal bero kulu inga no hal ba igi ce ci boro ifono na fatin fora iga gunanda moizi yamu wodi mo hanno kangai zaga yanno za k'a yi kaye gano ir afirki labai borai i no yadin wo boro hadai afunfu vraiment e nangu bobo iga gunanda mo yamo. iga da har bobo anama e cewa kai wai guto nan didai hala borai ga ituma imce ci faham dai mcecigbe hal filano ifonona afata ngi hije fohora imi gamo zanwe boro hada funfu izi yangasi borno kan agaba imalaka kanandi agaba bankan yangin ga an bai kan vrema ba kinga fatta ngi hija dira gengi te kago tabino na fatta adira mhm. an bai kan vrema nango ka an kan borera iga la kanandi iga lalabandi labandi iga lambandi hali ga kange ga ga gunanda moyamu Aïssa Bougoumou, Mahamadou. Aïk Bondene Sekina, donne-moi ton avis personnel parce que il y a mieux, il y a personne de mieux pour raconter une histoire que la personne qui l'a vraiment vécu et qui en a tiré des leçons. Migon Baksine Mourado. Zam zama gite kan hije waran kadin kulkaranite ni mondu baksina kan ihimgin nono. Mhm. In kun dinga bagi hiji nimi hiji barkan borada aga ba nim voilà, merci. Mhm. <laughs> C'est ça. ne famola mhm. parce que ngo din ko hankan ta si kula gen sur <laughs> vraiment on peut pas eh, finir eh, de meilleure façon on va écouter Olivier avec sa chronique et on revient Chers amis auditrices et auditeurs, bonsoir. Les fans du foot seront avec moi dans cette chronique parce qu'aujourd'hui, je suis sur leur terrain de jeu. Je suis sur un terrain de foot. Et je vais parler du meilleur joueur de foot de l'année selon France Football. Karim Benzema, enfin ballon d'or, une leçon de persévérance. C'est de cela que nous allons parler dans la chronique de ce soir. Le numéro 9 de l'équipe de France et attaquant emblématique du club espagnol, le Real Madrid, a été sacré meilleur joueur du foot au monde. Cette consécration a été longuement commentée sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de la victoire, la carrière de Karim Benzema, c'est beaucoup de hauts et de bas. Plusieurs événements malheureux ont entaché la carrière professionnelle et la vie privée du joueur. On se souviendra de ses ennuis en équipe de France et sa condamnation dans une affaire de sexe tape Malgré les hauts et les bas, Karim Benzema a réussi à remporter son ballon d'or, un titre individuel longtemps convoité par le Français. Grâce à sa saison 2021-2022 XXL, au cours de laquelle il a à la fois remporté la Ligue des Champions et la Liga. Le capitaine du Real Madrid a été sacré Ballon d'Or devant Sadio Mané et Kevin De Bruyne. Pour la première fois depuis 1998 et le sac de Zinedine Zidane, un Français a remporté la plus prestigieuse des récompenses individuelles, à savoir le ballon d'or. Gagner comme Benzema, ça fait rêver, mais travailler et rester endurant comme Benzema est une leçon que j'ai envie de partager et Dieu merci, je l'ai partagé avec vous ce soir. D'ici là, portez-vous bien et que la semaine à venir soit une semaine au cours de laquelle vous poursuivez vos rêves les plus fous. Paix, lumière, amour sur vous. One big love. Ciao, ciao. Chers amis de la FADA, merci d'être restés pendant 35 minutes pour nous écouter durant euh, cet échange que nous avons eu avec nos invités. Armade Hankan Irwana Hankuna, invité Chi Ce qui à retenir, c'est ce que Sekina a dit. assez nos problèmes, assez nos surtout On va finir ici. Euh, merci encore euh, d'être resté fidèle au programme du studio Colongo. On se dit au week-end prochain pour de nouvelles émissions. Merci à vous Merci chers invités. À la prochaine.